Merci d'écouter le studio Kalangou. Il est 18h. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal Présentation de fils Adam Sirfou. À la une de ce journal, le ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine a été interpellé ce matin à l'Assemblée nationale à propos des déguerpissements. À suivre dans quelques instants. La question sécuritaire au cœur des échanges avant-hier entre les autorités régionales et les chefs des villages de la région de Difa. Objectif à trouver les voies et moyens de détruire les bases de Boko Haram. Vous entendrez le porte-parole de la force mixte multinationale dans ce journal. Dans la partie magazine de ce soir, nous parlerons du lancement de la campagne des cultures à irriguer à Maradi. Suite à l'interpellation par le député national de l'opposition Ousmane Sanda, le ministre de l'Intérieur, représenté par le ministre de la Ville, a dû s'expliquer sur les opérations de déguerpissement aux alentours du Grand Marché et des édifices à Publica. Notre reporter Abdoulaye Mamoudou a recueilli les réactions du ministre Salamaman Salissou. Je voudrais aussi dire que le déguerpissement, c'est vrai que je l'ai dit, ça fait mal, mais il n'y a eu aucun soulèvement par rapport à cette situation, parce que la plupart des usagers que nous sommes avons apprécié cet exercice que nous avons fait. C'est un exercice très difficile, mais il fallait le faire pour faire en sorte que Niamey et même les Niaméens vivent tranquilles et tranquillement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je veux tout simplement dire que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans l'intérêt de notre peuple et de l'intérêt de la population de Niamey. Et plus tard, les autres grandes villes du Niger, avec bien sûr votre accompagnement que nous souhaitons et de tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Écoutons à présent les réactions du député Soumane Sanda. Aujourd'hui, le ministre, enfin un homme politique, a esquivé toutes les questions. Nous avons tous observé qu'il n'y a eu aucune planification, qu'il n'y a eu aucune concertation avec les commerçants qui ont été déguerpis et qu'il n'y a pas de mesures euh, d'accompagnement en vue. Dans une situation déjà morose, on jette à la rue sans travail des mères et des pères de famille. C'est à quoi aujourd'hui sont livrés tous ces commerçants. C'est malheureusement pas eux seulement, puisqu'il y a des victimes collatérales. Les victimes collatérales, c'est vous et moi. Donc, nous sommes restés sur notre faim. Nous voyons bien que Niamey Niala, qui en réalité a toujours été un slogan malheureusement continue à faire des dégâts au sein des populations et au sein de notre économie. Le commandant de la force mixte multinationale, le général Adesu, a effectué jeudi dernier une mission de terrain dans la zone de Bakassola et hier à Difa. L'objet de cette visite a échangé avec les soldats sur l'opération Gamaiki de la force mixte multinationale dont l'objectif est de détruire les bases de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et de l'empêcher d'en créer de nouvelles. Le colonel-major Mahamadou Dolé, porte-parole de la force mixte multinationale au Adam jeudi dernier, le commandant de la force multinationale, le général Adeosu, était dans la zone de Bakasola où se trouve présentement la force mixte. Le commandant de la force a également visité les 240 éléments de Boko Haram qui se sont rendus. Hier, il a effectué une visite de terrain dans la région de Difa. L'objet de sa mission était d'échanger avec les forces mixtes sur l'opération Kama Aiki lancée dans le cadre de l'offensive contre la secte Boko Haram. On lui a fait le point sur les succès ou les difficultés rencontrées pendant l'opération. Une enveloppe d'un million de francs CFA a été remise aux familles des soldats tombés sur le champ d'honneur et une somme de 500 000 francs destinée aux blessés. Il a par ailleurs demandé la collaboration de la population. Le gouverneur de la région de Difa, Mohamed Lawali Dandano, a également rencontré les chefs des villages, les maires et les forces de défense et de sécurité. Objet échangé avec ces derniers sur la situation sécuritaire qui prévaut dans sa région. Il demande à la population une franche collaboration afin de mettre hors d'état de nuit les complices de la secte à Boko Haram. Fougou Boukar, préfet du département de Difa, toujours au micro de notre correspondant Adam Baboukarna. Depuis un certain temps, euh, nous faisons deux pas en avant dans le règlement de cette affaire, un pas en erreur. Chaque fois, il y a un peu de recul. Et nous, nous pensons que nous sommes à la fin du conflit. Et si nous sommes à la fin du conflit, la population doit collaborer effectivement avec les forces de défense et de sécurité, avec les autorités administratives pour que nous réglions ce problème. Oui, vous savez, la guerre ne se gagne pas seulement par les armes. La population doit contribuer, il doit donner des informations, il doit donner des indications précises parce que nous avons compris que ces gens-là, quand ils viennent nous attaquer, ils viennent de quelque part. Et quand tu rentres dans la grande masse, les gens savent d'où ils viennent, où ils sont campés, où ils viennent et quand ils viennent pour faire les dégâts. Parce qu'ils ont des complicités internes. Nous le savons, hein. Donc c'est pas fortuit ce que nous avons dit. Ceux qui reviennent, qui déposent les armes, qui viennent négocier, il n'y a aucun problème, nous allons tendre les bras. Nous allons les accueillir et nous, ils auront droit à tous les traitements dignes d'une personne, d'une digne qu'une personne peut avoir. Maintenant, celui qui ne veut pas venir et qu'on le prend sur le terrain de combat, si il n'a pas laissé sa vie là-bas, il va partir directement, on le met à la disposition de la justice et des terroristes. Fougou Boukar, préfet du département de Difa que vous venez d'écouter la notion dans nos éditions d'information d'hier. L'État du Niger a donc été débouté hier après-midi par le juge de l'affaire qui l'opposait à la convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger Cause. En effet, la cause avait été assignée en référé par l'État pour avoir déposé un préavis de grève de 72 heures le 18 octobre dernier. La grève considérée d'illégale par l'État a été jugée légale hier lors du verdict. Réaction de la cause Niger, Alio Samna, le coordinateur. Nous tenons simplement à dire que c'est le droit qui a triomphé sur les mensonges. Et pour nous, au niveau de la cause Niger, il faut rendre hommage aux juges nigériens, puisque nous constatons que en dépit de tout, au Niger, nous avons encore des juges sur lesquels nous pouvons compter pour que la vérité soit dite. Nous déplorons malheureusement le comportement du gouvernement de la 7e République, euh, qui, après avoir négocié la veille avec nous, parce que simplement il n'y a pas eu accord, nous assigne devant donc le juge de référé. Nous estimons que ce comportement vraiment n'honore pas le partenariat. Au niveau de la cause Niger, nous venons de sortir euh, d'une épreuve qui nous renforce et qui vraiment nous amène à dire à notre partenaire, la partie gouvernementale, que nous ne pouvons pas accepter que les préoccupations des enseignants et enseignants restent sans solution. C'est pour dire simplement en résumé et en termes clairs que nous allons déposer bientôt un autre préavis de grève auquel nous, nous vraiment appelons l'ensemble des enseignants et enseignants à observer. Alio Samna, co-coordinateur de la cause Niger. Le délestage du courant électrique se multiplie dans la ville d'Agadez et d'Arlit. Cette situation met mal à l'aise la population de ces localités. Ce matin, un forum public a été organisé par Alternative Espace sur la place à Filintanou, où tous les acteurs de la société civile et les citoyens d'Agadez avaient été invités afin de trouver une solution à ce problème. Écoutez Ibrahim Manzo Diallo, acteur de la société civile, et journalistes. On veut nous faire croire que le problème de la Nigélec Agadez, le problème de ces délestages, c'est parce que la Sonichar ne donne pas assez d'électricité à la Nigélec. Mais non, nous on a pris la parole pour dire que nous n'avons aucun contrat avec la Sonichar. Notre seul contrat c'est avec la Nigélec. À la fin du mois, nous payons de l'argent à la Nigélec. Et la Nigélec, conformément au contrat qui nous lie, nous amène des factures. Donc s'il n'y a pas ce respect de contrat de la part de l'Angélette, il ne faut pas déplacer le débat et l'amener sur une autre société étatique. C'est seulement à Agadez que l'Angélette n'a pas de réserve froide. Pourquoi Dès que Sonichar coupe l'électricité, nous sommes dans le noir. Comme solution, il faut deux choses. Il faut que l'État du Niger, parce que c'est à lui qu'appartient la Nigélec, c'est à lui qu'appartient la Sonichar, il faut qu'il renforce la Sonichar pour qu'elle puisse fournir l'électricité à tous ses clients. Ou bien carrément, enlever le monopole de l'électricité de la Nigélec et le donner à un autre opérateur. Ce sont là les explications de Ibrahim Monzo Diallo, acteur de la société civile et journaliste, sur le délestage du courant électrique que connaît la ville d'Agadez et d'Alit. À présent, notre petite pause. Studio Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ipokan. 95.1 FM à Agadez. Sur la radio Nomade FM. 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Radio Tous les jours. Des journaux d'information. Des magazines. Toute l'actualité du Niger. À 17h30, du lundi au vendredi. Votre programme en Aoussa. À 17h45, du lundi au vendredi. Votre programme en Germain. À 18h, 7 jours sur 7. Votre programme en français. De Niamey à Arlit. De Tilaberi à Difa Suivez le programme du studio Kalangu sur votre radio. Studio Kalangu, au rythme du Niger. 18h passées de 11 minutes dans le studio Kalangou, à présent la partie magazine de ce journal. Le village de El Mougou, de la commune rurale de Safo, département de Madarumfa, a servi de cadre hier matin au lancement officiel de la campagne nationale des cultures irriguées 2016 à 2017. Suivant ce reportage de notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman. La campagne des cultures irriguées 2016-2017 se situe dans la droite ligne de l'initiative 3N, autrement dit, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le président Issoufou en a fait un élément essentiel de sa campagne pour un second mandat. Il a Jimaro, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous ambitionnons d'enblaver 155 215 hectares pour des productions brutes attendues cumulées de 3 271 342 tonnes de légumes, de céréales et de légumineuses diverses ce qui correspondrait à 700 000 tonnes d'équivalent céréalier ou encore environ 630 milliards de francs CFA en termes de revenus monétaires susceptibles d'être générés. Et pour atteindre ces objectifs, Ila Jimarao affirme l'État entend jouer entièrement son rôle. Après la mise en place des infrastructures importantes, il promet d'accorder des subventions conséquentes. Ces subventions sont-elles reparties de façon équitable le maire de la commune rurale de Safo, dont dépend le village de El Mogu, affirme que jusqu'à présent, aucune plainte n'est parvenue à son cabinet à ce sujet. Certains producteurs estiment en revanche qu'il y a un problème. Écoutons à ce sujet l'un de ces producteurs, Nassirou Komando. C'est du travail qui nécessite qu'on vienne en aide aux producteurs les nantis. Mais quand la subvention arrive, on recense nos noms sur des listes et après on ne perçoit rien. C'est pourquoi nous souhaitons de l'aide et demandons aux responsables de rendre visite à chaque producteur pour voir ce qu'il fait afin que la subvention parvienne à tout un chacun. En tout cas, dans le village de El le terrain aménagé pour ces cultures est situé près des habitations. Cela permet la reprise des cultures de compte-saison qui avaient été suspendues. J'ai pu rencontrer Houré Adamou, agricultrice particulièrement enthousiaste. Elle explique ce qu'elle produit et les bienfaits qu'elle en tire. Nous produisons du moringa. Nous cultivons du chou, des l'oignon, de la carotte, de la salade, de l'ail, entre autres. Ici, nous produisons plusieurs variétés de cultures et nous en tirons un grand profit parce que vous voyez cette tenue que je porte, c'est grâce au moringa que j'ai pu la coudre. Au-delà d'El Mougou, c'est tout le pays qui est concerné par cette campagne de cultures irriguées 2007 2017 Le Niger a en effet fait de la petite irrigation son cheval de bataille pour combattre l'insécurité alimentaire. Mohamed Maman depuis Maradi pour le studio Kalangou. Et c'est sur ce reportage que se referme cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres points sur l'actualité nationale. Au revoir.